ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون يتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع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 Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète de l'islam, le prophète de la miséricorde, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sona TV, nous vous adressons la salutation du paradis, la salutation de la miséricorde, la salutation de la paix, la salutation universelle en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah vous accompagne dans vos affaires, dans vos activités, qu'Allah raffermit nos pas sur la bonne voie, sur la voie de l'islam, la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il accepte de nous nos différentes œuvres et qu'il nous guide tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chef fidèles, le verset 182, de 282 plutôt, de la Sourate Baqarah, nous renseigne sur la dette, nous donne des enseignements importants et nécessaires pour le musulman pour pouvoir contracter une dette. Il est important pour chaque musulman de se référer à ce verset et de le lire attentivement pour pouvoir connaître l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à la dette et à la méthode devant suivre le musulman pour contracter une dette pour ne pas tomber dans des péchés et ne pas se créer de problèmes dans l'avenir. Mais d'abord, il faut reconnaître que la dette selon l'islam est considérée comme un amana. C'est-à-dire, c'est considéré comme un produit, une chose que nous devons préserver et avec laquelle le musulman ne doit pas s'amuser. Ça, rentre dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha » Allah subhanahu wa ta'ala vous recommande et vous ordonne à rendre à chaque personne c'est bien à ne pas utiliser mal le bien d'autrui. Et les crédits que nous prenons rentrent dans le sens du bien d'autrui qu'il a mis à notre disposition, avec lequel il nous a aidés. il faut aussi comprendre que le jour du jugement dernier, trois registres seront présentés pour chacun de nous. Parmi ces registres, il y a ce qui concerne les biens d'autrui. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir qu'Allah ne pardonne jamais et jamais tout acte, tout péché tout tout, tout acte lié au bien d'autrui. Alors, dans ce sens, le musulman doit savoir qu'une dette contractée avec qui que ce soit, c'est le bien de quelqu'un qui rentre dans son patrimoine. Et quand le bien de quelqu'un est rentré dans ton patrimoine, tu dois veiller au grain. Et tu dois savoir que tu es en danger, ici-bas et dans l'au-delà. Et que tu ne dois pas laisser ce bien d'autrui qui est mélangé à ton bien détruire tout ce que tu as. Il faut que le musulman comprennent la dette dans ce sens. Pourquoi nous disons cela Parce que de nos jours, le constat est amer. Tout le monde se donne à la dette. Aller contracter une dette, un crédit, c'est devenu euh, en vogue. C'est devenu une, actualité, c'est devenu une actualité, c'est devenu une actualité que tout le monde se donne. Aujourd'hui, si quelqu'un veut s'engager à un, euh, un projet, il veut démarrer un projet, il a un million pour le projet, il ira prendre encore un crédit d'un million pour que, parce qu'il voit que, non, pour lui, euh, un million ne peut pas suffire pour le projet. Il lui faut encore un autre million. Et la première pensée, il ne va jamais penser à ses propres biens qu'il a et qu'il peut vendre pour avoir ce montant et avoir un montant nécessaire pour son projet. Il va d'abord penser à aller prendre crédit, à aller s'endetter pour démarrer un projet. Un projet dont il ne sait pas encore les aboutissements et il s'en va prendre une dette pour démarrer cela. C'est, c'est devenir euh, notre vie d'aujourd'hui. Au quotidien, c'est comme ça, tout le monde réfléchit. Et nous prenons une dette comme étant un acte ordinaire. Et on n'a pas de souci par rapport à cela. On se lance dedans comme on le veut et chacun en fait comme il le peut. Ce qui a fait que beaucoup d'entre nous, nous sommes aujourd'hui endettés jusqu'au cou. Je pense qu'il est important que nous en parlions et que nous nous, nous, nous enseignons par rapport à la dette en islam. Que dit l'islam de la dette Qu'est-ce que le Coran nous a apporté comme enseignement par rapport à cela et quels sont les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comment est-ce que le prophète a géré les dettes durant sa vie. Comme je l'ai dit à l'entrée de notre émission, le verset 282 de la sourate Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala nous fait un appel solennel où Allah invite les croyants à ceci. Ya ayyuhalladhina amanu, idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma, faktubuhu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô oh les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit. Et qu'un scribe, et qu'un scribe l'écrive en vous en toute justice. Voilà le début d'un verset qui est le plus long verset dans le Coran. À travers ce verset 282, Allah nous a donné des moins détails par rapport à, au contrat de crédit ou bien de dette. Et dans ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala nous a signalé au début du verset deux points importants. Le premier point, c'est l'enregistrement de la dette. Et que cet enregistrement doit se faire par un expert, un professionnel qui maîtrise l'enregistrement d'un contrat, c'est-à-dire un notaire ou bien quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Puisque c'est le bien d'autrui qui veut rentrer dans tes biens. Et ça doit être préservé. Et ça doit être clair, sans ambiguïté. Alors si c'est pas un professionnel qui le fait, ça risque de créer encore d'autres soucis à l'avenir. On, va dire, il a mal écrit, les expressions ne sont pas claires, ainsi de suite. C'est pourquoi le Coran l'a bien précisé. Le Coran est allé loin en disant que le scribe qui veut inscrire, qui veut enregistrer le contrat de la dette, qu'il écrit selon sa compétence, selon son degré de savoir ça dit qu'il ne fait même pas l'économie dans l'enregistrement de la dette. L'économie de mots, non, qu'il écrit tel qu'on l'a enseigné, tel que euh, c'est exigé dans le domaine. En plus, le Coran a exigé des témoins pour contracter une dette. Chers téléspectateurs, le Coran est allé jusqu'à exiger deux témoins, deux hommes. Si ce sont des femmes, c'est quatre femmes qui sont exigées pour témoigner de l'acte, du contrat de crédit. Les oulamans sont allés jusqu'à ce que, si il arrive que un débiteur ajuste un un témoin, il n'a pas le second témoin, et qu'il doit jurer. Un serment est nécessaire pour que cela tienne du second témoin lors du contrat, lors, lorsque il doit prouver la véracité de son contrat selon l'enseignement islamique. Pourquoi tout ces mises en garde? Pourquoi tout ces mises en garde Alors que nous, aujourd'hui, on a trop de la légèreté par rapport à cela. Un frère qui se présente devant toi, voulant une dette, tu lui dis, il faut qu'on l'enregistre. Il va dire, tu ne me fais pas confiance. Amen. Ah, <laughs> non mon frère, c'est l'islam qui l'exige. C'est le créateur Allah qui l'exige puisque l'homme restera toujours homme. L'homme peut tout le temps oublier. Tout peut arriver dans la vie de l'homme, comme nous allons l'expliquer par la suite lors de notre émission. La mort peut faucher quelqu'un d'entre vous si, si la dette n'a pas été écrite et l'un d'entre vous est mort. Comment est-ce que la dette sera remboursée, comment est-ce que on va, on saura même que le monsieur s'est endetté alors que la dette est l'une, l'une des entraves à son entrée en paradis. Quand il sera dans la tombe, il sera sous châtiment, il sera suspendu à ses rêves comme le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi euh, à dette, comme le hadith du prophète Muhammad alayhi wa sallam l'a si bien expliqué. Et nous en reviendrons, insha'Allah ta'ala. Alors, cet téléspectateurs il est exigé lors d'un contrat de crédit ou bien de dette, il est exigé l'enregistrement et les témoins. Ça, c'est d'abord, et il faut qu'une dette soit à un délai déterminé. Le Coran subhanahu wa ta'ala l'a si bien expliqué. À une échéance bien déterminée. Il a il a ajalin musamma. À une échéance bien déterminée. Si on arrive à échéance et le, le, le, le, le créancier n'a plus, n'a pas le moyen de rembourser, il faut encore négocier, il faut encore d'autres considérations que l'islam a bien expliquées. Nous en parlerons tout à l'heure. Lorsque le créancier n'a pas de moyens, n'a plus de moyens, il est en difficulté, qu'est-ce que le musulman doit faire il faut d'abord expliquer que le fait de contracter une dette n'est pas mal vu par l'islam. L'islam reconnaît que, l'être humain pourrait avoir des difficultés dans sa vie. L'être humain peut fait face à des situations qui vont l'amener à aller chercher d'assistance, d'aide. Et s'il ne trouve pas, et il ne veut pas attendre les monde, il lui est permis d'aller prendre une dette chez un proche, un ami, un ancien ami, un homme avec qui il a de très bonnes relations, même, même chez, auprès des institutions. Auprès des institutions, mais à condition que cette institution ne soit pas une institution usuraire. Si c'est une institution usuraire, on ne parle plus de dettes, on parle alors d'usure. Et le musulman, il ne lui est pas permis d'aller là-bas. Si il y a des institutions Taux d'intérêt, zéro. Taux d'intérêt, zéro. Je le répète bien. L'islam autorise aux, musulmans d'aller contracter une dette auprès de cette institution. Les particuliers qui donnent de crédit, de dettes à, leurs amis, à leurs frères, à, oui, l'islam les encourage à le faire, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, le meilleur d'entre vous, le meilleur d'entre vous est celui qui est plus utile à ses proches, aux gens tout entiers, à l'être humain tout entier. Et le prophète nous dit dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours avec celui qui apporte assistance à ses semblables. Et le hadith nous dit, quiconque d'entre vous, quiconque d'entre vous soulève une difficulté d'un frère, Allah lui soulèvera des difficultés le jour du jugement dernier. C'est-à-dire quiconque assiste son frère au moment de difficulté, Allah l'assistera, Allah l'assistera aussi face à cette difficultés le jour du jugement dernier. Alors il est bien clair que le fait de d'assister son frère au moment de difficulté où il a besoin de d'argent, il faut, il est permis de lui donner de lui donner de l'argent en guise de crédit, en guise de dette. Mais, qu'est-ce que l'islam demande? L'islam demande à ce que le créancier qui prend une dette rembourse, rembourse ce qu'il a pris à bonne date. À bonne date. lorsque l'échéance arrive, il faut que le musulman soit en mesure, en mesure de rembourser l'argent qu'il a pris. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prenait aussi le crédit, prenait aussi les dettes quand il est en difficulté. Il est même arrivé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un jour où il n'a pas trouvé à manger chez lui. Il a, euh, il est, il est parti chez un juif pour aller prendre un crédit contre l'une de ses armes de guerre. Contre l'une de ses armes de guerre. Parce que il n'a pas d'argent et l'autre a exigé une garantie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a apporté euh, son bouclier de guerre en guise de garantie. Alors dans ce sens, le problème ne se trouve pas au niveau de de, de, de contrat de dette, de contracter une dette, une dette. Mais le problème se situe où Quand est-ce que quand est-ce qu'il est permis aux musulmans d'aller prendre une dette. C'est le point important. Le musulman peut aller contracter une dette quand il est dans le besoin. Et le besoin est crucial. Supposons qu'il est malade, il est permis d'aller prendre, d'aller prendre de crédit pour pouvoir se soigner. Supposons qu'il est en difficulté financière par rapport à ses besoins, il est, il est permis d'aller contracter une dette pour pouvoir survivre. Il lui est même permis. Il est en train de construire sa maison. Et les moyens lui manquent. L'islam lui permet, lui permet d'aller aussi prendre des dettes pour pouvoir finir sa maison là où il va habiter. Parce que ça fait partie des besoins de base dans la vie de quelqu'un. Le problème se situe au niveau des endettements juste pour la forme. Juste parce que les gens le font, moi-même je le fais. Il a, le monsieur a un véhicule, et il veut avoir un second véhicule. Juste parce que c'est à la mode d'avoir deux véhicules et il s'en va s'endetter pour prendre un second véhicule. Ceci n'est pas le sens d'endettement en islam. L'islam n'encourage pas ces gens de dette parce qu'il n'y a, y a, aucune nécessité. De nos jours, Certains même vivent au-delà de leurs capacités en se basant sur les dettes qu'ils prennent. De manière à ce que ce qui est étonnant de nos jours, c'est que il y a même certains créanciers qui prennent, qui, qui vivent, qui, qui, qui d'une manière meilleure plus que c'est débiteur. Et tu te demandes, celui-là, il, euh, il, euh, il est sûr de quoi Parce que il a pris de dette ici, il a pris là-bas, il a pris de l'autre côté. Et tu le vois en train de vivre. Tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas au niveau de ceux-là. L'islam n'encourage pas ces gens de dette qui ne répond pas à aucun besoin du, du, du, créancier. Chers téléspectateurs, il faut qu'on rappelle à chacun de nous le danger qu'encourt celui-là qui s'endette pour rien. Parce que nous avions de nos jours plusieurs catégories de créanciers. Il y a des gens qui prennent des dettes et ils ont déjà dans leur tête ce qu'ils ne vont pas rembourser. Ils ne vont pas rembourser. Ils ont déjà ça dans, la, leur tête. Parce que soit il n'a pas de moyens pour rembourser, lui-même, il est sûr qu'il n'a pas de moyens, mais il se lance dans l'endettement. Deuxième catégorie, il a de moyens pour rembourser, mais il s'en va s'endetter avec l'intention de ne pas vouloir rembourser. Il ne veut pas. Il y a troisième, la troisième catégorie de personnes. Ils prennent le crédit avec une intention ferme de vouloir rembourser. Que dit l'islam de chacun Comment est-ce que le musulman doit se comporter face à chacun des trois Et qu'est-ce qu'il attend Qu'est-ce qu'il les attend devant Allah subhanahu wa ta'ala Chers téléspectateurs, il faut d'abord reconnaître que l'islam, tel qu'il a encouragé un débuteur, d'assister le créancier, de lui donner, de, de lui accorder le crédit, de lui accorder la dette, il a exigé au créancier de rembourser, de rembourser à bonne date le montant exact qu'il a pris. Et en plus, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait, et comme il encourageait aussi ses compagnons à le faire, c'est que lors du remboursement de la dette, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam augmente toujours, donne encore un, un plus au montant contracté. Cela d'abord va mettre à l'aise le débutant, va lui donner de la joie, va l'amener à être encouragé à accorder la dette tant qu'il peut à ce dernier. En plus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait tout le temps au moment du remboursement de la dette. C'est-à-dire, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut rembourser sa dette, il donne ça à son débiteur et il prie pour lui. Qu'Allah met la bénédiction dans ton argent, dans tes biens. Et il lui fait le témoignage du bien que son argent lui a fait. Il, prie pour lui, il prie pour ses enfants, pour pour, ses enfants, il prie pour ses affaires. Imaginez. Lorsque quelqu'un vous donne de l'argent et vous, le, vous le remboursez à bonne date et vous priez pour lui, même si vous n'aviez pas pu le rembourser encore en, ajoutant quelque chose à, au montant qu'il vous a donné, mais néanmoins vous arrivez à prier pour lui. Voilà l'enseignement de l'islam. Voilà comment est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec euh, ses débiteurs. Est-ce que nous sommes comme ça aujourd'hui? Est-ce que les musulmans d'aujourd'hui, au moment du remboursement, remboursent d'abord à bonne date et prient pour celui qui les a accordé la, la, la, la, dette. La situation est matin de nos jours. Beaucoup de créanciers deviennent l'ennemi de leurs débiteurs juste, juste après qu'on leur accorde donc le crédit. Alors que au moment où il était venu. C'est avec toute humilité qu'il est venu s'exprimer, expliquer sa situation, où tu es même attiré à l'accompagner, ta vie dira. Mais il suffit qu'il prend l'argent, il change la face, il n'est plus prêt à répondre à ton appel. Même quand il appelle, c'est comme si il s'énerve en disant que, mais, qu'est-ce qu'il m'a donné et il va tout le temps m'emmerder. C'est-à-dire la bonne relation qui vous liait avant le avant la dette change dans l'immédiat. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Chers téléspectateurs, je pense qu'il est important que nous amenons chaque musulman à savoir le danger qu'il encourt en négligeant les dettes, en cumulant les dettes, en mangeant l'argent d'autrui de façon illicite à travers une dette qu'il a contractée auprès de lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle. Le prophète nous dit لو كان لي مثل أحد ذهب ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي شيء إلا شيء أرصده لدين Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlant lui-même dit si Allah subhanahu wa ta'ala m'avait accordé une richesse qui est grande et immense comme la montagne de Uhud à Médine, je vais mettre cela à la disposition des nécessités des pauvres. Et je ne garderai rien de cela à part le montant d'une dette que j'ai contractée avec quelqu'un. Imagine-toi bien. L'argent ne dit rien au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Tout ce qui est important chez lui, c'est comment payer sa dette. Voilà le sens et l'importance de, de la dette dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous parle du danger qu'encourt quelqu'un qui a contenté une dette et qui ne la rembourse pas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith Si quelqu'un meurt sur les sentiers d'Allah en train de se combattre pour Allah subhanahu wa ta'ala et il meurt marty et nous allons supposer que le paradis lui est garanti le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Allah va lui pardonner tous ses péchés, sauf la dette qu'il a sur son cou. Cette dette, aucun pardon pour cela. Il ne rentrera jamais dans le paradis tant que cette dette n'a pas été remboursée. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons, Subhanallah, ماذا أنزل من Oh, louange à Allah, gloire à Allah. Pourrais-je vous informer de ce qui est descendu par rapport à la dette Les compagnons lui ont dit, oh, prophète Muhammad sallallahu informe-nous. Le prophète dit, le prophète dit, Allah subhanahu wa ta'ala vous informe que si quelqu'un meurt sur le sentier d'Allah, on le ressuscite. Et il meurt encore, on le ressuscite. Et il y a de dette sur son cours, il ne rentrera jamais dans le paradis jusqu'à ce que on lui, lui, on, rembourse cette dette. Nous viendrons après la pause pour poursuivre cette émission par rapport à la dette et au danger qu'encourt celui qui contracte une dette et ne la rembourse pas. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بقيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إكاني تنوي إناني إكاني سنة تي في níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ̀sùn máa rí ẹ̀kọ́ ìsìnkọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV ẹ jẹ́ àwọn ọmọ náà mọ̀ wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna ìkànnì tó ń TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa súnà. alhamdulilah wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission sur la dette et le danger qu'encourt celui qui contracte une dette et ne la rembourse pas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith l'âme, l'âme d'un croyant est suspendue à sa dette lors de sa mort jusqu'à ce que on la rembourse, on rembourse cette dette-là. Écoutez bien le hadith. Le prophète Mohammed sallallahu a dit si quelqu'un meurt et il a une dette sur son cou. Et personne parmi ses héritiers ne rembourse pas cette dette. Son âme sera suspendue à cette dette jusqu'au jour où ses, enfants, ses héritiers vont lui rembourser la dette. Écoute bien cela. Et pour confirmer cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, a été invité à prier sur un corps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'avança vers le corps et pose la question à, à ceux qui étaient présents. Le prophète le dit, est-ce que votre frère a une dette sur lui? On a dit oui. Le prophète a dit, priez sur votre frère. Priez sur votre frère. Je ne peux pas prier sur lui. Parce que je ne peux pas prier sur quelqu'un dont ma prière ne lui sera pas utile. Parce que quand je prie sur lui, finalement, il ne va, il n'aura pas la porte du paradis. Parce que la dette va toujours l'arrêter à la porte une fois par rentrer Imaginez au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui portent l'amour de leurs proches. Lorsque les gens ont dit que la personne, il a une dette sur lui, un compagnon s'est levé immédiatement disant, au oh, prophète Mohammed vient prier sur lui, je m'engage, je paye ses dettes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à ce monsieur, alors, le monsieur qui est mort, c'est déjà libéré de sa dette et la dette maintenant est sur toi. Il dit oui, je m'engage. Suivez bien, chers téléspectateurs, le lendemain, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rencontre ce dernier en lui disant ah, Aba ma fa'ala dinarani Qu'as-tu fait des deux pièces d'argent, c'est-à-dire de la crédit, eh, de, la dette du monsieur Qu'as-tu fait de sa, de, sa dette Abu Qatada dit, je ne lui ai pas encore remboursé. Ah, le prophète dit, il faut que tu ailles vite rembourser la dette. Quelques jours après, il vient informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi qu'il s'est déjà acquitté de la dette. Qu'est-ce que le prophète dit? Le prophète dit, c'est maintenant que son corps se refroidit. C'est maintenant que le corps du monsieur se refroidit. Écoutez, comprenez bien. Ça veut dire, il est en difficulté, il est en chaleur depuis qu'il est mort. Parce que il a le bien d'autrui qui est rattaché à lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une fois prié sur un Après cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a posé là une question à l'assistant. qui est y a-t-il là un proche de ce monsieur Personne ne répondait. Jusqu'à ce qu'un monsieur sorta du public se rapprocha du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis un proche à lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ce monsieur, monsieur, votre proche est rattaché à sa dette et cette dette l'empêche de rentrer dans le paradis. Le monsieur regarda le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'exprimant qu'il n'a pas de moyens. Moyen. Le prophète lui dit, si vous voulez, laissez-le ainsi. Et si vous pouvez, le libérer du châtiment, libérez-le. Alors, mon frère, tu comprends bien ce hadith-là Tu comprends ce que ça veut dire Aujourd'hui, tu sais combien de dettes tu as sur toi. Et tu comprends bien que actuellement tu es incapable de les rembourser. Et si la mort t'emporte, à tout moment tu feras quoi? C'est pour cela qu'il faut signaler que ceux qui n'écrivent pas, qui n'enregistrent pas leurs dettes, risque de se retrouver face à cette situation après le mort, parce que personne ne saura qu'il s'est endetté. Ça, c'est un châtiment douloureux à l'au-delà qui attend celui-là qui s'est endetté et qui n'a pas pu rembourser. Et je pense que personne d'entre nous ne peut nier l'humiliation que constitue l'endettement dans la vie de quelqu'un. D'abord, lorsque vous vous endettez, je pense que vous n'êtes plus libre dans vos affaires, dans vos activités. Parce que si vous n'étiez pas, le, le passé un menteur, vous allez devenir un menteur. Parce que chaque fois que vous allez rencontrer votre débiteur, vous êtes appelé à mentir pour qu'il vous considère un peu. Ça, c'est d'un côté. Le deuxième côté, tout le temps, vous allez dire Wallahi, Wallahi, vous allez jurer au nom d'Allah et c'est de, c'est des serments mensongers tout le temps. Vous allez aussi former vos enfants au mensonge. Parce que lorsque votre débuté frappe à votre porte, ou bien il vous appelle au téléphone, vous êtes appelé à mentir. Et vos enfants vont vous voir en train de mentir. Vous les enseignez quoi? Et qu'Allah me protège, qui te protège aussi, lorsque l'a fait finir en prison. Imagine, imagine quelle humiliation pour toi et quelle humiliation pour tes enfants et pour ta famille. Le drame, c'est que certains ont pris ces crédits, ont pris ces dettes pour rien. Ce n'est pas qu'ils ont pu réaliser quelque chose avec. Ce n'est pas qu'ils eh, ils ont, ils ont euh, devant eux quelque chose qui représente cette dette-là. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde en nous disant La tukhifu anfusakum bidayn. Ne vous effrayez pas par, par les dettes. C'est-à-dire, ne, ne rendez pas votre vie difficile à cause des dettes que vous aviez contractées. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout le temps nous a enseigné, nous a demandé de prier à la fin de chaque prière quotidienne, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous libérer de nos dettes. Car la chose la plus humiliante dans la vie, dans la vie de quelqu'un, c'est la dette. Chers téléspectateurs, le constat aujourd'hui est tellement amer de ce que nous, nous voyons dans notre société. C'est-à-dire, les gens se lancent dans, dans le crédit. Et maintenant, quand ils sont en difficulté pour pouvoir rembourser, ils s'en vont prendre, ils s'en vont prendre de l'argent usuré de l'argent usuraire pour rembourser la dette. Quand ce débiteur commence par les, les, poursuivre par ici, par là-bas, il les amène à la police, en tout cas, il s'en va s'endetter et il prend, il prend des, de, l'argent usuraire pour rembourser celui-ci. Et si le sujet ci le chasse, il prend encore d'autres argent usuraire pour rembourser celui-ci. Et il est maintenant face à des mots par ici, des problèmes par ici, des problèmes par là-bas. Parce que c'est, c'est parce que tu as en difficulté que tu n'as pas pu rembourser et tu prends de l'argent usuraire et maintenant on te compte les intérêts, on te compte, on compte encore le, montant de base, comment pourrais-tu s'en sortir, t'en sortir C'est une situation vraiment lamentable de nos jours. Et il y arrive même des fois que certains d'entre nous n'est plus libre de de dans, ces activités parce que le c'est le débiteur qui va lui dicter ses comportements. Même toute sa vie est sous la, surveillance du débiteur. Même pour pour, pour, pour, pour, organiser une manifestation chez lui, il ne peut plus le faire. Le débiteur est là le suivre, surtout les banques aujourd'hui. Qu'Allah nous pardonne. Je disais tantôt que nous avions trois catégories de créanciers aujourd'hui. Celui-là qui, au moment de contrat, de crédit, de la dette, il a l'intention de vouloir rembourser. C'est-à-dire, avant même d'aller contracter une dette, il a déjà programmé l'échéance dans laquelle il va rembourser. Et il en a les moyens. Et il travaille pour ça. Écoute bien, chers téléspectateurs. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam promet à celui-là qui a dans sa tête l'intention de vouloir rembourser ses dettes, le prophète lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala va l'accompagner à rembourser ses dettes. Il aura le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paiement de, de sa dette. Voilà la promesse d'Allah. La promesse d'Allah pour celui-là qui veut rembourser. Ce qui veut dire que C'est dès le départ, tu as déjà mis dans ta tête le désir de vouloir rembourser, je te dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'assistera dans le remboursement. Et tu auras la facilité de pouvoir rembourser. C'est une promesse d'Allah. Mon frère, si tu peux te comporter ainsi, et tu te prends comme quelqu'un qui respecte Allah, qui respecte sa religion, qui se respecte et qui veut être respecté dans la société, Wallahi, Allah t'accompagnera. Et tu auras la facilité de pouvoir rembourser. Même tes affaires vont prospérer et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donnera les moyens pour rembourser. Parce que au moment où tu contractes la dette, tu as dans ta tête l'intention de vouloir rembourser cette dette. Ça, c'est le point principal et l'enseignement principal de l'islam par rapport à un crédit à une dette. Ce qui veut dire que tout ce jour dans la tête et tout ce jour selon ta foi et ta croyance. Mais si tu n'as pas les moyens, tu sais que tu n'as aucun moyen, tu n'as aucun travail, tu ne peux pas rembourser. Alors, mon frère, ne te hasarde pas sur le chemin de d'aller prendre un crédit, en pensant que de prendre un crédit, en pensant que euh, tu vas le faire et l'échéance va arriver et tu ne pourras pas. Il y a d'autres cas où le monsieur a les moyens. Il a les moyens il peut rembourser, mais il décide de ne pas vouloir rembourser. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque prend l'argent des gens, il veut et il a l'intention de vouloir rembourser, Allah subhanahu wa ta'ala va à le rembourser. Mais quand il le prend avec l'intention de le gaspiller et de l'utiliser pour ses besoins personnels sans penser à le rembourser. Écoute bien ce que le prophète nous dit. Allah subhanahu wa ta'ala va le détruire lui-même. Allah va le détruire. Dieu va le détruire. Voilà, voilà ce qu'Allah a dit. Si tu prends une dette et tu as l'intention de ne pas vouloir rembourser, Allah subhanahu wa ta'ala va te détruire, va t'anéantir complètement. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Puisque c'est, c'est une menace d'Allah. Et tous ceux qui se sont hasardés sur ce chemin et qui sont allés vers leurs frères, vers leurs amis, et ils ont pris une dette avec l'intention de ne pas vouloir rembourser, comprenez-moi bien, c'est un haram qui rentre dans ton argent. Et quand l'argent de tru se mélange avec tes biens, tu perds la bénédiction dans tes affaires. Tu perds la bénédiction. Et quand tu perds la bénédiction, tu commences par t'approcher vers la faillite et tu finiras par t'écrouler définitivement. Et tu vas penser que c'est la sorcellerie, c'est elle qui m'a créé des problèmes, c'est cela. Les ulémas nous ont bien expliqué les moyens par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala retire la bénédiction des biens de quelqu'un. Allah peut t'envoyer des voleurs qui vont te dévaster et tu paies tout. Ou bien, Allah t'envoie une partie de ses, euh, de ses armées, le feu, qui brûlera tes bien. Ou bien des fois, des coupeurs de route. Ou bien des fois, si c'est un produit qui ne doit pas être mouillé, la pluie va tomber là-dessus. Et tu vas tout perdre. Et c'est comme ça tu vas tomber. Parce que tu n'as pas respecté ton engagement et tu n'as pas respecté les enseignements d'Allah subhanahu wa par rapport à cela. Supposons que quelqu'un meurt et il a l'intention de vouloir rembourser et il travaille pour cela et il est mort. Le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit, je lui garantis le remboursement de sa dette. Et du vivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la, la, la, la trésorerie de l'islam est devenue grande et il y a beaucoup d'argent, quand quelqu'un meurt et le prophète demande est-ce que il a des dettes sur lui, on dit oui. Le prophète dit la, le, la trésorerie de l'islam s'en chargera. Et l'islam paye cela à sa place. Mais celui-là qui ne paye pas ses dettes et qu'il pense que ce n'est pas un problème, dites-le que s'il ne paye pas ça ici-bas, il le payera dans l'au-delà. Il va le payer contre quoi Contre les biens qu'il a fait contre ses prières, contre ses jeûnes, contre ses, aumônes, contre tout ce qu'il a fait, au moment où il ne peut plus prier, il ne peut plus gêner pour compenser cela, on va lui arracher tout cela et mettre ça dans le compte de son débiteur. C'est ça que tu aimes Te retrouver dans l'enfer après tous ces biens que tu as faits après tous ces efforts que tu as, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu menés, tu vas te retrouver dans l'enfer à cause d'un crédit qui n'était pas, qui ne t'a pas rapporté grand chose de ton vivant. C'est pour cela que nous invitons chaque musulman à se contenter de peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde. Le peu qu'Allah t'a accordé, que cela soit suffisant pour toi. Et que tu ne regardes pas ceux qui sont au-dessus de toi et ne cherche pas à leur emboîter le pas. Tu as visité un frère qui a construit une grande maison et tu n'as pas les moyens pour ça et tu t'en vas t'endetter parce que toi aussi, ah mais il ne peut pas construire mieux que moi. Finalement, tu n'arrives pas à rembourser, tu n'as pas les moyens pour, pour rembourser cela. Il faut aussi ajouter que le musulman doit éviter tout et tout ce qui est illicite en islam. Et quand il rentre dans les illicites, il perd tout dans sa vie. Chers téléspectateurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné par rapport à, à nos contrats de dette et il nous a clarifié que c'est très important de ne pas prendre une dette pour la forme, et d'avoir tout le temps dans la tête l'intention de vouloir rembourser à bonne date. Et quand le créancier est en difficulté et il annonce cela à son débiteur, l'islam nous enseigne d'avoir pitié de lui et de lui accorder un autre délai pour, pour qu'il puisse rembourser et de ne pas lui créer de soucis malgré sa bonne intention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le bon et le droit chemin, qui nous accompagne dans nos affaires, dans nos activités, qui nous aide à surmonter toutes nos, épreuves et qui nous aide à rembourser et à payer toutes nos dettes à bonne date par la miséricorde, par la grâce d'Allah. سبحانك اللهم نشهد wa الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا